Comme vendredi, dernier rendez-vous de la semaine, chers auditeurs et auditrices. C'est le Niger sur Kalango que vous écoutez en ce moment à travers nos radios partenaires et en streaming sur notre site internet wwwstudiokelango.org. Je suis Samira Wafi et à mes côtés Rekia Arimi. Bonjour Rekia, tu vas bien Bonjour Samira, je vais super bien. À la régie, la technique est assurée par Seni Isaka et Fanta à l'édition. Alors, rappelle-nous le programme de ce vendredi. Rekia, dans cette euh, émission, nous recevons comme invité Malin Zamnov dit Alpha Sissé, un Nigérien vivant à Bamako depuis plus de 30 ans. Il est le président de la communauté nigérienne au Mali. Et comme chaque vendredi, vous suivrez la revue de la presse. Et pour l'écho des régions, nous restons à Niamey pour parler du commerce de tarot qu'on appelle Mankani en Hausa. Et comme d'habitude, il y aura de la bonne musique nigérienne dans notre playlist. Restez câblés pour ne pas rater une miette du programme. C'est parti. Sans plus tarder, voici le flash info avec Rafika Taher. Bonjour, Rafika. Bonjour les filles, comment vous allez Ça va. Alors pour ce matin, la Cour de justice de la CDAO a rendu hier, jeudi 7 décembre, le délibéré sur les mesures provisoires de l'affaire concernant l'État du Niger et cette autre contre la conférence des chefs d'État et de gouvernement et de deux autres dont l'audience s'est tenue le 21 novembre à son siège à Abuja au Nigeria. Dans la décision, la Cour a estimé que les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger n'ont pas qualité pour représenter l'État du Niger et donc saisir la juridiction communautaire. Les, sages de la Cour ont en conséquence déclaré irrecevables les requêtes principales et secondaires introduites par les avocats de l'État du Niger et cet autre plaignant et portant sur la légalité des sanctions économiques et financières prises par la conférence des chefs d'État de l'organisation communautaire lors de leur sommet extraordinaire du 30 juillet 2023 sur la situation politique du Niger suite au coup d'État du 26 juillet. Le réseau des journalistes pour les droits de l'homme a organisé hier à Niamey un panel de haut niveau sur les droits de l'homme placé sous le thème Honorant la promesse de liberté, d'égalité et de justice pour tous à l'occasion du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce panel qui est organisé à l'intention des étudiants en journalisme, en communication, en droit et des professionnels des médias portera sur trois principaux panels, à savoir le rôle des médias de la promotion et la protection des droits humains au Niger, la DUDH, 75 ans après, défis et perspectives au Niger, la situation des personnes vivant avec le handicap au Niger, défis liés à la promotion et à la protection des droits des personnes vivant avec le handicap mental et psychique, cas spécifique des femmes et des filles. À travers un communiqué publié sur sa page officielle hier en début d'après-midi, c'est à travers un communiqué publié sur la page officielle en début d'après-midi que la Fédération nigérienne de football a informé l'opinion nationale et internationale du recrutement de M. Ezaki Badou comme sélectionneur national du MENA A pour un contrat d'une durée de deux ans. Cette nouvelle collaboration entre l'ancien Lyon de l'Atlas et l'instance dirigeante du football nigérien prend effet à partir de ce 1er décembre 2023 et ce jusqu'au 30 novembre 2025. Selon le communiqué de la FENIFOOT, en plus de ses fonctions de sélectionneur national, Ezaki Badou aura comme mission, entre autres, la restructuration et la redynamisation de la direction technique nationale, la supervision de l'assistance technique techniques des sélections nationales de catégorie inférieure et de contribuer à la mise en place et le fonctionnement technique de l'Académie d'élite nationale. C'est tout pour ce flash d'aujourd'hui. Merci Rafika. Chers auditeurs, comme annoncé tout à l'heure, nous avons comme invité aujourd'hui Mme Zamnaou Di Sissé, un ingénieur vivant à Bamako depuis plus de 30 ans. Il est commerçant dans le grand marché des âgées de Bamako. Avec lui, euh, nous allons parler de la vie de la communauté euh, nigérienne au Mali. Mais avant de suivre notre entretien, je vous propose d'abord le titre euh, Barouche de Amira Hamadelher. Amaria Hamdalher vient de Goufata, un petit village près d'Agadez. Jouant de la guitare depuis plus de 15 ans, Amaria a rejoint le collectif Les filles de Gadad. Amaria, une autre pionnière de la guitare dans sa région. En 2020, elle était la seule femme guitariste de la région d'Agadez. C'est accompagné de sa guitare et sa voix radieuse que la Nigérienne Amaria Hamadelher a enregistré la cinquième EP du projet Music from Sahara WhatsApp lancé depuis 2020 par par le label Sahel Sound. le titre euh, Bahouche d'Amaria Hamdelher. Après cette pause musicale, chers auditeurs, revenons à notre invité du jour. Mira, pour ceux qui viennent et ceux qui viennent de nous rejoindre, il s'agit de Malam Zamnaou du Alpha Cissé, président du comité nigérien au Mali. Dans la première partie de cet entretien, Alpha Cissé nous parle de la cohabitation entre Nigériens et Mali et comment, en tant que président des ressortissants nigériens, il rapporte du soutien. On l'écoute. Assalamu alaikum. Eh, alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. To na farko dai suna na Malam Zamnau, di alfa sisi abin ne bambako. Eh, ni a shugaban 'yan Nijar mazauna Mali. au cinan nan mali dai lafiya lau muke da kowa da kowa muna zama da 'yan ƙasa lafiya lau kuma 'yan Niger da eh, mazauna mali masu neman kuɗi kuma lafiya lau dare da rana kuma ina tare da su don saboda muna samun matsaloli na harkokin iko ko ya zamunta aka ki samu yan Nijar sun samu wata matsala sai a kire ni ko dare ko rana ina zuwa a gaggauce a Falusina ko zandarmeri ina zuwa in tabbasu yan Nijar kowane lokaci kuma insha Allah ba mu da matsala da yan Mali gaskiya ba mu da matsala tro saboda gaskiya nan zama lahiya inda ya zamunta kana neman kuɗin ka nan ba hanya yan Mali ka shiga saka shekara nawa ba ruwan karsu ba su ruwan ka da kai kuma wallahi nan dai alhamdulillah shukura da ina da kusan shekara talatin ba ɗaya a garin bamako shekara talatin ba ni president eh, ina jagoranci wannan kuma shekara ta takwas ta na yi manda biyar na huce yanzu kuma ina bisa manda ta ta goma kenan na shekara uku yanzu kenan allah da ina ta da yan mali ina ta da yan niger kuma duk harkokinmu tare muke yin su kuma babu wata matsala tsakaninmu da su zama lafiya muke yi kullum to ba adaba haka na kuma gaskiya sibilai wannan problem da ya samu kasar mu Niger muna fata alheri alheri ne muke fata zama lafiya mu ba harkokin siyasa gare mu harkokin da muka ci gaban kasar mu Niger na zaman lahiyarta da kuma faɗi tashin da aka yi bisa ga Niger ta shi muke faɗi tashi bisa ga wannan saboda zamantakewan mu da da 'yan Mali da 'yan Burkina da 'yan Niger duka ƙafa guda, wando guda, cinciya ki ɗaya. hisibila muna so kuma zama lafiya har gobe ƙara danƙon ƙara gaba bisa ga haka saboda muna fata alheri ga kowa da kowa kuma wannan gidan rido da zaka ya zaka a tamame wuri na a ni matsayina na president yan Nijar mazamanali wala na ji daɗi kuma na fata alheri gare ku kuma na gode na gode kuma Allah bar mu tare kuma Allah saka da hairan. To madala ko ina sani shi wannan kwamiti da kuke shugabanci wani irin matsaloli da yawanci kuke shawo kai ko kuke shiga tsakani eh lalle shugaban yan Niger da annam ni da shugaban yan Niger na Mali ne ka wani ya zamanta Nigeria ya samu hoda ko ko ya samu wani akasidan ko wani harkokin dai ya zamanta a cikin harkokin shi dai su samu matsala da yan kasa dai ni ne ke shugaba inda ta ne ta taimaka bisa ga haka ne ga hol sai ne tattauna da su in wurin da ya zamanta a biya diya na sai mu gyara juna in kuma ya zamanta wurin da an dan ci wani ci hanci na sai mu gyara juna amma ni ko dare ko rana ina tada yan Niger kuma suna kira na in sun samu matsala ba sai ya taba ci bayan Allah da kuma nan dai ni ina tabbacin babu ɗan Niger inda a gidan kwaso saboda irin matsatsolin fata ko ko wani matsatsolin wahala wada eh, ko ko wani business ya kama shi dai babu wannan babu wannan tsakanin mu da yan mali kuma lafiya lau zama lafiya wallahi shi cikin wannan kwamitin kuna iya a takamaimaice mana mutun nawa a ciki haka eh, lalle mamur da biro dai mu goma sha biyar na mu goma sha biyar nan akwai mace uku ta da mu mace uku muke ta da ita E mu goma sha biyu na man da amma yan Nijar da Mali sun yi dubu goma tsakanin ƙauye babu rozo rozo duk akwai yan Nijar mazauna Mali ba buzu ba lace ba kautoci kabila akwai nan Mali babu kabila da babu yan Nijar da mazauna babu kabila babu ni na sani saboda kuma yanzu dai insha Allah dai muna tare da sauki tun da ambasadar muna tare da ambasadar nan Mali kuma duk abin da ya zamanta yau kana matsalar ta same ni in ya zamanta ta hikari na da gudu nake zuwa ambasadar kuma ambasadar ta shi biyan bukatata. gaskiya sibila da in harkoki sun ka bayan da na kira amsa da kai tsaye insha Allah su ma za su shiga yan Allah da za mu samu cin harkoki eh, za mu samu wannan matsala ta walwale in Allah da muna ta da kowane lokaci ne muna ta da ambasadar kuma muna harkokinmu da yan ƙasa da ambasad ta Mali ta girmama mu kuma ta ba mu matsayin mu kuma ta ba mu zamantakewa mu kai ita babu wata matsala tsakaninmu. da an ka samu matsala ta yan Niger ina ta yi zaman da ni abin ya hikari na da na kira ambassador insha Allah za a samu walwale yan Allah da haka muke fata kuma muna ta da haka ko akwai taro da kuke yi haduwa hakan ga akai akai kuma wani lokaci zuwa wani lokaci kuke haduwa da mutane don jin koke-koken su ko jin karuwar da suka samu insha Allah eh, duk fata lefureme duka lefureme dimash ta farko ga fata muna taro kuma muna da baza ambasad ambasadar muke da Eh, hili wanda muke taro can duk wata dimashi ta farko muna taro da mambir da biro kuma taron matam na kuma da yan kasa ya zama da saboda duk su suka so muna da mutane nan bambako duk su suka so mu aza mutane in Nijar mazamana mu aza kawan eh, jiha eh, su suka so duka nan Mali da jiha jiha muna labarin juna kuma muna da guruf mun kai kire saboda duk wanda matsala ta samu da ya haɗu cikin guruf insha Allah duk kowa ya samu labari in Allah da kuma wannan wata zuwa wata duka ka wani dimashi ta harko muna taro kullum duk sek sek eh, eh, eh, sek wata muna taro ambasad muna tattauna kuma samun labarin mu Niger kuma samun labarin nan zamantakewar Mali kuma. Avant de continuer notre entretien, marquons une pause avec la revue de la presse présentée par euh, Nafisa Adam Sirfo. Bonjour Nafisa. Bonjour, bonjour Nafisa. Samira, bonjour Rekia. Alors, Nafissa, parlons des sanctions de la CDAO. La Cour de justice déclare irrécevables les requêtes de l'État du Niger contre la conférence des chefs d'État titre à la une du journal Actu Niger. En effet, la Cour de justice de la CDAO a rendu hier jeudi 7 décembre le délibéré sur les mesures provisoires de l'affaire concernant l'État du Niger. Dans sa décision, la Cour a estimé que les militaires qui ont pris le pouvoir euh, au Niger n'ont aucune qualité pour représenter l'État du Niger et donc saisir la juridiction communautaire rapporte à Actu Niger. Les sages de la Cour ont en conséquence déclaré irrecevables les les requêtes principale et secondaire introduite par les avocats de l'État du Niger et sept autres plaignants et portant sur la légalité des sanctions économiques et financières prises par la conférence des chefs d'État de l'organisation communautaire lors du sommet extraordinaire du 30 juillet 2023 sur la situation politique du Niger et cela suite au coup d'État du 26 juillet. Notez que ce verdict vient à la veille d'un nouveau sommet des dirigeants ouest-africains qui va également se se pencher sur la question avec comme principal enjeu la levée ou non des sanctions qui affectent durement les populations nigériennes depuis maintenant plus de trois mois, conclut le site. L'actualité, c'est aussi les retraits du, Burkina Faso et du Niger du G5 Sahel, nous annonce l'agence nigérienne de presse APANP. C'est dans un communiqué relayé par la presse que le Burkina Faso et le Niger ont décidé de se retirer de l'ensemble des instances et organes du G5 Sahel, une décision qui a pris effet dès le 29 novembre, indiquent les deux pays. Le communiqué relève qu'après neuf ans d'existence, l'organisation peine à atteindre ses objectifs. Il ressort toujours de ce communiqué que pour le Burkina Faso et le Niger, le G5 Sahel ne saurait servir les intérêts étrangers au détriment de ceux des peuples du Sahel, encore moins accepter le dictat de quelques puissances, que ce soit au nom d'un partenariat dévoyé qui nie le droit à la souveraineté des peuples et des États, rapporte l'ANP. Les deux pays assurent par ailleurs maintenir leur dynamique de coopération, notamment au sein de l'Alliance des États du Sahel pour faire face, pour faire autant pour moi de l'espace sahélien un espace de souveraineté. Rappelons qu'en mai 2022, le Mali, membre de l'actuelle alliance des pays du Sahel, annonçait déjà son retrait du G5 Sahel, estimant que l'organisation était instrumentalisée par l'extérieur. Le Mali et le Niger euh, mettent fin à la non-imposition des sociétés françaises opérant dans les deux pays, nous apprend le quotidien gouvernemental Le Sahel. Oui, Samira, le Mali et le Niger ont, dans un communiqué euh, conjoint signé le 5 décembre, dénoncé la Convention sur la non-imposition des sociétés françaises opérant dans les deux pays. Il s'agit de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali tendant à éviter éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les situations, des droits d'enregistrement et de droits de timbre du 22 septembre 1972, rapporte le communiqué. Par cette dénonciation, les gouvernements du Mali et du Niger mettent ainsi fin à la non-imposition des sociétés françaises installées dans ces deux États, ce qui signifie que désormais toute société française installée dans l'un de ces pays doit payer ses impôts au Trésor national de ces pays. Rappelons que conformément à cette convention, les sociétés françaises opérant dans ces deux pays ne versaient pas leurs impôts au Trésor national de ces pays, mais plutôt au Trésor français. C'est la fin de cette revue de presse. Merci Nafisa. C'était la rubrique de la presse. C'était là la revue de la presse, autant pour moi. Poursuivons avec notre, eh, notre invité, Malam Zamnaoudi Alpha Sissé, président du comité nigérien au Mali. Dans la deuxième partie euh, de notre entretien, Alpha Cissé nous parle de l'impact de la fermeture des frontières sur leur vie sociale, les activités économiques et de son souhait pour l'avenir. abu ne da kowa ya sani a kasar Nijar an samu juyin milki ko yaya kuke samun labarai yaya labarai ke taho muku kuma a matsayin ku na dan ƙasa me kuke ji kuma wani irin cikas ya kawo cikin tahiyar da sana'a ku tunda akwai sako da aike da ake yi kuma tunda an liƙe iyaka a to wannan dai gaskiya bila wannan sai abun da Allah kamar sami hankuri shi kawai lalle muna jin jita-jita da aka yi a Nijar gaskiya ana samun matsaloli da yawa sai tuma wannan zamunta masu hwaɗe-hwaɗen banzan nan suna aikuwa bisa ga rezo sosai zuwa wani internet nan na banza dohi kawan kiraye kiraye 'yan Nijar saura su yi haka saura su yi haka kawo suna rarraba kanun mutane mu dai ba mu jin daɗi haka eh, da muke zama mazamna eh, tarihi ba mu jin daɗi haka muna so 'yan Nijar su haɗa su wuri guda ya zamanta kullum ya zamanta ana samun zama lafiya cikin ƙasarmu da 'yan ka rarraba kanu za mu samu matsala to matsala ta ba mu fata. muna muke etranger muna jin labarukan da aka yi Niger gaskiya mu dai goyon baya muke so sojoji na ba su goyon baya ɗari bisa ɗari an ka ba su shekarar nan uku da sun kaji za su in Allah da kanin wannan lokaci mu mun tabbata Allah da Niger za ta gyaruwa in Allah ya da to amma ya zama ta akwai bambancin kanu eh, rabe kanu ba harka ba ba a samu wannan ci gaban kuma ya zama ta yan Niger kullum masu tashi tashi hankalin wani kashi ka tsuniya ko kashi ka tsuniya ba mu bukata haka nan muna neman zaman lahiya da kowa da kowa tunda dukkan mun haɗa kan muri guda mun sa abin da muka nufi yanzu bisa gama halin da ake yanzu dai abu guda ne muke kuka dai kore soza eh, eh, eh, turawa a mu da turawa an kore su kasanmu to isa za mu samu laya to kuma in je su daure bisa ga mun ta haɗa kanun na yin ƙasar shi muke fata ga kowa da kowa. madalla ita like iyaka da an kai ba ta shafi tafiyar da kasuwancin mu 'yan nijar da yawa da ke a nan gari. a ah, kwalla ta shawa ta shawa gaskiya saboda nan duk kayan da muka zamanta kayan da aka kawo mana daga Nijar koko kayan da muka zuwa sayi Nijar muka aika a kawo gaskiya sibilahi sa an koma mai sa an koma kewaye kewaye akwai matsala saboda yanzu kayan duka a nan mali masu yi tuware Najeriya Nijar sun yi tsada sun yi tsada gare mu kuma motocin daga zakkuwar su akwai matsala hisbillah akwai matsala kenan muna fata insha Allah dai mu samu walwala wannan abin ya shawa gare mu gaskiya sibilahi da in babu kaman zama lahiya ga kasashe mali burkina Nijar ba mu samun wani kasuwanci mai kyau amma ya zamanta ana samun haɗin kai kowane lokaci insha Allah za mu samu zama lafiya Allah da. To da yawanci waɗanda a cikin wannan kungiya da kuke shugabanci wani irin sana'o'i ne 'yan Nijar ke yi a nan gari? A kwarai ko 'yan Nijar akwai diya masu sana'a sana'a ne nama ta yawa sana'a masu da nama da masu da kilishi da masu yanka akahe da masu kere-kere kuma masu ƙere-ƙere na akwai duk kala-kala a Nijar suna sana'a da yawa akwai wanzamai masu aski akwai masu tallan magani babu dai kalar da sana'ar babu sana'a babu wadda ba a Nijar ba su yi nan mali kuma alhamdulillah suna samu gwargwadon hali insha Allah. To madalla ko akwai wani fata da agare ku zuwa ga ƙasar mu. Lalle fata ta guda ta ni president fata ta zaman lahiya a Nijar zaman lahiya a haɗa kai cinciya matsalamin ki ɗaurin ki bukata. dan saboda hisbillahi in akwai rarraban kanu ga kasa babu zama ko gare mu nan ba mu jin daɗi mu da ƴan ya eh, zamanta eh, muke da kasashen wazo amma ya zamanta akwai haɗin kai ƙasan mu akwai zaman tsinciya madarmin ki ɗaya Nijar to insha Allah komai zai zuwa daidai fata da dai mu samu zaman lafiya kasan mu kuma mu haɗa kanun mu ƴan Nijar da ƴan Niger da na cikin gida da na waje duka mu haɗa kan mu zan cinciya mu ɗari min ɗaya sa'an nan ƙasar mu za samu zama lahiya kuma ta yadda goyon eh, bayan za wannan su samu ci gaban gyaran da suka so su mu na ƙasa insha Allah amma in ba haɗin kai ga harka ba ta yi amma in Allah da fata ta ni abun da ka fata gare su su zamna lafiya in Niger duk inda suke su haɗa kansu in su haɗa kansu babu ta ce ta ce ce te ce kuma ya zamun ta haɗin duka mu ba da goyon baya ga sozawa da sun kai yiwo miliki saboda abin da Allah kawo sai a sa hannu a karɓa hannu bi a karɓa to muna fata zama lafiya da 'yan Najeriya duk inda suke kuma da mu Nijar duk inda ta suke da kuma so da sun kai yiwu mulkin muna bayan su ɗari bisa ɗari saboda zama lafiya muke nema a mu kuma suke neman incin gar suka nema namu shi muka fata ya tabbata ya tabbata muna jin daɗi ko ina duk inda muke Allah da. To a matsayin ku na ɗan Nijar babu buƙatar koma gida muna sani kuma daga wacce jiha kuke. in Allah da kwarai ko gida ko lokaci muna zuwa dan kullum muna sako gida kuma muna koma yanzu ka ba wuce shekara guda rabe na da gida ba eh ni dan jihar dogon Dogonuci ne a ganin su hukuntan dan jihar dogon Dogonuci a ganin su hukuntan eh ko lokaci muna labarin gida kuma muna zuwa gida muna dawowa eh yanzu ka iyali na akwai iyali na guda gida akwai iyali na mali ina da mata mali ina da mata gida Niger kenan ko lokaci muna ta ka dawo insha Allah awo yanzu yana shekara guda da wani abin ta gidan ba dai gaskiya saboda cikin matsalolin da ake saboda rushe hanyoyin da ya gaskiya bismillah yanzu muna fata alheri inda Allah sa an samu zaman lahaya in ta yanga gida kuma in dawo to madalla ko akwai wasu mutane da ke garin dogon dutse da kuke so ku gaida a to dai duk inda dan jihar dogon inda ke da yana ba shi gaisuwa da fata alheri kuma lafiya lau president shi alfa sise lafiya lau nake a nan bamba ko kuma a gidan ina labaranta ta lafiya lau kuma Allah ba mu zama lafiya ko ina duka yan dogon dutse inda suke ina ba su gaisuwa da fata alheri zama lafiya insha Allah madalla mun gode da lokacin da kuka doka da amsa tambayoyinmu Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangou se poursuit et c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire. Aujourd'hui, nous, parlons, entrepreneuriat. Depuis euh, quelques années, les jeunes Nigériens se lancent euh, dans l'entrepreneuriat. C'est le cas d'Abdallah Aboubakar. Il, euh, il a décidé d'ouvrir une petite boutique dans son quartier à Niamey dans laquelle il fait de la photocopie, la recharge des compteurs et réabonnement Canal+. Plus. Il a lancé un appel aux jeunes qui sont sans emploi à la recherche de l'autonomisation. Il est au micro d'Aminata Boubacar. To Abdella Boubacar, Mourad Foyen no Nugogeti. Mourad Eke photocopie Gira, pour Boraïse, recherche compteur, Aïté Mou abonnement. Canal+. Plus. Zawat Fononin Boutigo Firi. Bitigo Giro Denen Firi. andu iyanta ran. matuno muradai te da. to muradai muradai mataki go wo alhamdulillah irgo sabu irko mu bai habu an wo yadin nokwa yadin ga haikulkan no borom sabu da irko shi wani noti hannu wani wakai asifa lara zamda bortun za su bai dinai nim koyi nimin muradai te ni bitigodo alasar gingar yan banda nem ka fu yemu sola akwai gina mokoi ekol borin kwai so mu kore sandai foyen no ni go gudu goyo wura. a goyo kai sandai kul sara kadai ku piro dai sini gine sandai zan ce kirbe ku irkul gbai komandira shi irkul gbai ku pirya yora ya yinga ka dangi sino bar morgo go te borase inga dangi samu wadin ne sanna aibiti go fere maŋ ndi a ra kul sanday. Ki mino hay kul wo sintina taygu dooru. Meedin dimbanyil mo fere feergine sanda ni irkoy ga darande se. To Abdalla Bubakar, ken fenno ni ga tonandi furta kayen go go ho ga kam kwalisi. To message kai ga envoyer ta jay kayen si ga te se. In fere nge hande ma. An dunyawo karan godi, man tun ga haudan nira, barkunno sinigabo Masidi borane aga har har ni se kul dan duban wara kan boro Inga dinga ba agogin bon cecino ya dinga nin no tun ga hawdan da bora gore ya ma dir wa kunna sinafa tin tun no ba kwarara no nitun ni windi windi ni koy nan kan ni sibay ni fur ni fatta windi windi yan follon ko abisu gore Paske nin kan gogoro hay kunno ni sibay fa ni sibay kun nin dai nan gogoro me din tun ni windi windi ba na fur kwarara no ni ko habi ni ga hayo ni sigya hay kan gidi kan gidi kan hayawo nigin gate ko muradu no wani mu han fo kan barfo bon kan kan gingin han hal ni go han goy yakine din na sai ni go na ganin sai nan ka goy ni ya din no me gorai wo kay rahi kunnon sudu dunu go ra. ni go dai gornin dai na ifo no karga ir koy man ne kan nim tunin ga ga tun yonga mai man ne nim tun ka gorbo a tun ga haudan ni bon rani ne zan sai wo kwaro ai humbur kwaro no ko bifo aman gai ai charfo ka go faman dai sai kan kwarawo dai suru fa aina sai bani abu famun dai sai kan kai kai fallon ko kai kai fallon ko borego ce tan da kyar kwarura anai sai bi fono leo katako in fayin foyon gogisi inga ha hal kontra hali kontra no inga musambu inga bongo bon koy gisi iwo famun da sai kan wai borfo sai ni gine o gisi bora man ka gina gine o goyo man tubar kan gono dai sai ni gano am goida barkansino isingine goyo imo gogis a roke bore kan gingate go wani yankul sai pa permi wani yankul har yanno kan mani man hima te yakin charsi bore hima ga haudan kambudan char kambara di kyarsi wani sai no ko aro gaba ba haudan ne borra ay wodi nana gi chinis ni gorawo kan go min ni go tewo ay shi gudu gwara dira min go do wara haifo mono ceci ci gaba kan non go gwara dira aydaynaya imkum diribe aisbabahay kan gote karara aydaynaya kalshaay hanyan funa no dimmena kai waniyo bar mai e bafuna tunga haudan na bora wadi yogi Faisons un tour en musique avec le titre d'Oka de Garbadan Anko.

Compositeur, artiste, interprète de la musique traditionnelle d'Anko fait aujourd'hui partie des artistes nigériens qui ont fortement contribué au rayonnement de la culture euh, de ce pays, plus précisément de la musique traditionnelle. Né vers 1940 à Loda, dans la commune de Meyei, enseignant de formation, Danko est un virtuose incroyable talent artistique. Ses nombreuses œuvres culturelles et artistiques ont été à plusieurs fois euh, primé euh, tant au Niger qu'à l'extérieur. Par rapport à ses nombreux succès, Anko a bâti sa notoriété par sa maîtrise inégalée de plusieurs types d'instruments de musique traditionnelle et celle de l'art de la composition des chansons et ballets traditionnels. Pour s'en convaincre, de nombreux prix ont été remportés par sa troupe de Mayaï aux différents festivals de la jeunesse organisés au Niger décédé en 2010 dans le cadre de la rémémoration de l'apport inestimable de Daanko dans la promotion de la culture nigérienne, le gouvernement du Niger lui a rendu un hommage en bâtissant la maison de la culture de la ville de Meyeyi de son nom. Après ce son de Doka, passons à l'écho des régions. Niamey à l'honneur et c'est parti pour parler du Mankani ou taro. Le taro communément appelé Mankani ou Guaza, est très apprécié en ville comme en zone rurale. Disponible depuis quelques semaines sur les marchés de la capitale Niamey, beaucoup voient dans sa vente une source de revenus. Le marché Katako de Niamey est particulièrement renommé pour le stockage 2 et la vente en gros et en détail du tarot. Moutari Mohamed s'est entretenu avec Bashirou, un grossiste de ce produit. On les écoute. sana'ar yau ganin mun jima muna yanta sannu sannu kan sana'ar inda ya zama da kan jima kana yanta da daɗi da ciwo duk kana hankuri saboda wata ran a shi daɗi wata ran kuma a shi wuya saboda kan ita sana'a gwari haka nan na take da yake kamar shi wannan mankanin ba koyaushe ake samun shi ba ko lokacin da ake samun shi daga lokacin karshe-karshen damana yana ɗauka kwata shida hmm, ana yin shi wannan mankanin ya hito daga najeriya ne saboda can ɗaya ke kawo shi nan lalle ko akwai shi kasashe wangana na Najeriya da muke wani da shi nan nan Nijar ba a noman mankani nan Nijar ba a noman mankani in kaga an nome mankani nan sai dai masu saga jarduna masu neman wanda za su ci hakan ga muna bara farashin roba 100 ko muna bara shi kara hamsin to kuma na gaba babu nan gaba eh shi kuma haka muna aza yar riban mu yadda muka soye shi haka muna aza yar riban mu kuma hakan babu kuke sai akwai wanda ake da shi ka bakwai. akwai wanda a ƙasa ga shika bakwai sha bakwai hake muke saye shi akwai wanda ma ake sayar da sha takwas saboda kasan suna hawa suna sauka ne ko akwai kama cikin mankanin iri-iri ne ko kuma duk kala guda to ba kala guda ba ne yana daga cikin juna akwai wanda za ka samu mai tsawo hakan ga mai mai mai diya akwai wanda za ka samu wanda da ƙananan ɗiya akwai wanda za ka samu wanda ya zamanta ɗiyan nan nashi manya ma ba su da kowa kashi kashi ma har guda hudu ma haka an sawa saboda akwai jiya ciki akwai baki ciki akwai wani mai zanen maciji maciji ciki akwai wanda kuma mai gashi gashi nan wanda ya zamanta shi mai gashi gashi nan shike bai bai bai yadda ake so tun sai har zuwa yanzu da maraice ne muke ka san ita kasuwa da hagari cikin giwa ne ba a abin gashi ai aka samu kasuwa wani karon ana iya sai da biyar ana iya sai da zuwa shidda haka to daga ce da kasuwanci shi wanda yake wata rana a samu yadda ake suno ta ba a samu ka daɗe cikin wannan sana'a shin ko watakila ka taɓa sanin menene amfanin mankani ga masu cin shi eh to amfanin mankani ga masu cin shi lalle suna gai saboda kasa abu ne wanda ya zama bai da sikir kaga masu harkar jabet ba suna suna amfani da mankani kuma duk da ka ci shi yanayin ma'unwani saboda mankani da gani shi ya hi dankali kuma ba ɗaya yake da doya ba saboda kaga yanzu da mankani kana aka ci shi ya da na nawa bai bai dige ka ba amma shi dankali yana ɗaukar ɗan lokaci kwana biyu kwana uku sai ka ya dige ka amma wanganan kaga dai kana iya kai ordebar shi Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Place à présent avec le sport, nous avons Hassoumi Gourouza sur place. Bonjour Gourouza. Bonjour Rekia, bonjour euh, Samira. Bonjour, alors Gourouza, l'équipe nationale du Niger a, a euh, plutôt appris un nouveau euh, sélectionneur, paraît-il. Oui, Samira, son nom s'appelle Isaki Badou et c'est un Marocain. Il a signé un contrat de deux ans avec la Foot pour conduire la destinée de l'équipe nationale du Niger, le MENA A. Badou doit également restructurer et redynamiser la direction technique de la FENIFOOT, apporter son assistance technique aux autres sélections nationales du Niger et la mise en place de la et le fonctionnement technique de l'Académie d'élite nationale. La FENIFOOT, la Fédération nigérienne de football, a donné également comme objectif aux nouveaux sélectionneurs de qualifier le MENA pour une compétition majeure de la CAF ou de la FIFA pendant la durée de son mandat. Badou est vice-champion en 2024 avec les Lions d'Atlas du Maroc. Il a joué également à Wydad de Casablanca. Ezeki Badou sera assisté par Zakariaou Ibrahim. Gourza, la quatrième journée de la Super League a débuté. Oui, hier, l'Union sportive de la gendarmerie a été battue par le Jongorzo de Maradi sur le score de 2 buts à 1. Il faut noter également ici, le Jongorzo a tenu sa première victoire dans cette compétition. L'AS Nigelec a disposé de l'ACO Canada sur le score d'un but à 0. Tagour Ludo vainqueur devant Urana 1 à zéro. Aujourd'hui, vendredi, il y aura deux rencontres à Niamey. Renaissance de Bokochi face à l'ESFAN, l'ESPOLIS face aux libertés au stade général Sénékounché de Niamey. Kokoza, maintenant parlons du championnat du monde de handball féminin. Oui, euh, euh, trois nations africaines participent à ce rendez-vous mondial. Il s'agit du Sénégal, d'Angola et du Cameroun. Hier, le Sénégal a perdu devant l'Hongrie, l'Angola, même chose, devant la Norvège 19 à 32, le Cameroun jouera aujourd'hui face à la Suède. 32 pays participent à ce championnat du monde de hand. Voilà pour le sport d'aujourd'hui. Merci Merci beaucoup. Passons à présent à notre portrait et dans la rubrique de ce matin, nous allons à la rencontre de Issa Amadou, également connu sous le nom d'Issa Kouroumana. Il est originaire de la commune de Bourdialayo dans le département de Saï. Âgé de 52 ans, marié et père d'un enfant. Issa a appris le métier de la couture dès son jeune âge. Devenu maître tailleur, il a décidé de migrer pour poursuivre sa carrière dans la couture. Ce qui lui a permis de tisser des liens à l'échelle internationale, en plus de son expertise en couture Issa s'est formé dans le domaine de la restauration en se spécialisant dans la préparation des plats occidentaux. Aujourd'hui, Issa parvient à concilier les deux métiers avec succès. Notre reporter Omar Hama s'est entretenu avec lui pour dresser son portrait. Euh, donc joni en mbiyan ni de 91 warde joni ɗum waɗi ko cuɓiɗa ngal gollal ñogol enen fulɓe euh, la plupart cukaɓe ɗum ɗo jande ɗuɗal e laddeji toon par ce que min ladde ndimami quoi donc leydi kunari ndimami donc mi naata e l'école mi duran noon quoi donc e durgol ngol miɗo woodi denɗi o quoi kanka ene jangga donc joni o hantini c'est un commande omo hollaka no jangir no école o jangguirde après mawnana hettino africa numéro 1 donc africa numéro 1 miɗo hettinoɗo seɗɗa semi duroy miɗo hettino aussi allah waɗi kan doté avec une mémoire très forte quoi somi nammi mo e français mo wara mi ƴamamo kanko omo jangga primaire fa au collège donc euh, il nden ni jonka e gam miɗum no mbim bon média miɗo yiɗi sanne par que media wadi ka épaulé sanne e ladde ummino mi anda fof ko mi amnom mais illa miɗo ettino africa numéro ley ladde fa gartumi bon ça m'a poussé miɗo ettino ñande go émission une fille burkinabé qui réside en côte d'ivoire o waɗi échoué collège e jeune afrique janngumi ɗum ko ana winda école n'est pas la sel donc se inscrit dans une école de métier omar couture mbimo pourquoi pas mo illa jimi ɗum kaɓɓum soit aller ladde mbimo warta ñami gartum tasaje après métier ni ko ko garmi ko gaɗa malien o donc golle vraiment alhamdulillah mi heeɓi barke majje j'ai beaucoup voyagé et mi j'ai tissé beaucoup de connaissances et de relations. ko ngol du cycle long gaɗumi quoi mi waɗino sample artirinomi après Nigeria. nigéria jaam nigéria gaɗon formation broderie broderie nigéria toon du après immigration natini kanko mim je vais partir en europe illa ñemeyɗo en farde ayade lagos tawi miɗo wonduri e suka birni ko oɗon janga algérie il m'a donné une information vraiment ça pays là bas donc j'ai une idée gam miɗon ɗo ɓitirimi algérie to algérie to jami don kondan tawmi une autre broderie ka senna avec des syriens donc irɗum ɗo machine aji ɗi hewaɗo hennan gam ton formation j'ai rencontré un arabe là qui m'a aimé donc il m'a financé gam formation on ɗon joni jo machine ɗi wala ɗo golle ɗe wala ɗon algérie toon ne ka vraiment golle ɗen ɗon no et ça paye beaucoup donc machine aji ɗen ɗo golle kayna accumi ɗum kaga isa ko waɗi cuɓiɗa gollal ñogol ba ko laati golleji na heewi ekkititeɗi amma ñogal cuɓiɗa eyi ñogol cuɓimi par ce que ñogol na wattan ɗo ley yimɓe sanne quoi e diina ka e hoore mum wi seni a ñaami ko ñaama ko woɗi gatta ko woɗi sa aɗa woodi moyen voilà wadde ɗo allah e ñogol ngol miɗa yiɗi kolte illa miɗa fandi quoi donc sama impressionne miɗa yiɗi wattude guineji ko woɗi quoi ayo moƴƴereji ɗi e hen keɗɗani wallayi nafakkaji mi heeɓi nafakkaji fa heewi par ce que mi heɓ mi waɗi rencontré yimɓe mawɓe e allah e ñogol ngol quoi aussi mi yeeyi to neɗɗo wawa premier mi avion allah e voyage ni dame lettre d'invitation avec visa voilà donc vraiment mi wawi wiide ñawgol ngol mi mi e donc vraiment alhamdulillahi anda a yoto woɗi aɗa waɗano golle nder hotel to ñamduji gatte ɗum ɗon fuu golle ma no noyi waɗi golle ɗen aɗa hawrodira ɗa gollira e bon a fami joni tilay noon ɗo hawrodira e golleji par ce que ko ƴumi algérie gartumi ka joni waɗi duuɓi seɗɗa kalay nden fuu mi wala no wadde restauration o bon jon ko sakkitoyni ɗum économie leydiji ɗen fuu économie o rewi ley sanne gollal gotal wawa jogade neɗɗo e surtout ñandudu kon ɗan affaire muɗum sen ɗon waɗa no wodi barke sanne quoi donc kañum e ñande ɗum du vraiment alhamdulillahi je m'en sors mi wattana iri ñanduji ɗum ɗo occidentau en ñanduji tubakoɓe donc ñanduji lobbi ko wattatake e pirti partaji quoi ñanduji propre donc ko seeri seɗɗa donc commande gaɗanmi quoi way way issa caɗale irɗe hen gonɗa aɗa hawrana jiiɗa nder golleji maɗa euh, ɗi vraiment caɗale joni okka vraiment caɗale no wodi men yimɓe ne yettude allah quoi waywa ni yettude allah caɗale kay joni par ce que wona leydi meɗen tan noon quoi ɗum ɗo ko allah waddi noon quoi noddangal ngal hen gaɗanta bandiraɓe ma laatiɓe no godi ano talki golle juuɗe amma no jooɗi domde ko hoyi ɗum ɗum watta fe fe fe fe fe neɗɗo ne tilsi par ce que restauration euh, nde puɗɗumi restauration o euh, nde puɗɗumi restauration o c'était en 2019 2019 euh, covid wari quoi voilà coronavirus nde warno nde donc yimɓe waɗa confiné yaltata yasin quoi donc ñogol kay affaire muɗum wala yimɓe no uddi quoi bon après mbim bon pourquoi pas appliquer ma deuxième ɗum ɗo option e nden puɗɗumi mbim bon je vais essayer de faire les gens m'ont découragé mais min kane comme miɗa andi ko gaɗanmi quoi décision so mi addi mi waɗa appliqué c'est marsi marsa c'est marsal waɗi haaji mum ko marsine illa fajiri 8 heures ko ngam mi installé dammugal ɓaade ammi miɗa waɗa ɗum ɗo miɗa waɗa restauration fa minuit mi hantinayi illa ñande mum ko ngam mi décollé je pas stoppé Alhamdulillah, vraiment, j'ai beaucoup gagné de connaissances avec de, de, bénéfices. Chers auditeurs et auditrices, faisons une autre balade, euh, cette fois-ci euh, avec le titre Maradi de Boriband. C'était la Maradi de Boribanda. Dans le loti, euh, les femmes du studio Kalango pointent du doigt euh, les risques de garder un puits ouvert dans une concession. On écoute euh, les femmes qui nous édifient sur ce sujet. sai kin gigin godin ce mata ga hamu rahamu rahamu rahamu irkoi mai no goga ke son kina wura ha zari san ke wura hamu ifo no ni goga te fuwara ni izo go tarai filora ha kai ni gicin diya maskan da yura. ifo subhanallahi <laughs> habibu habibu mana diyai sai mana ma nan ka tiyan boba in ingida ne ya irkoi he ai sabuni se irko hinno ga bai hankan ga hingite da man kan ai duka lokaci wadin ga ai ka gagar da yo jarga a goce ci jing foga ga ginai zo sambu kan kan da yoga kai ni gicin diya mu koi ha koin don da kan ga wallahi a kan singa bai zan ba ku si filo ga hey irkoi ai sabun si don da kan da yo dira ifo ne gine babo si son wo kai dai irkoi na sai ti haikul manduwa amma ga mu ai singa fahimmat kin ni ginga ci kai nawo na habibu ci ne ha windo ganda ga ago fogo kwen nig kan akan gwanda da kiman dabu wani wallahi ni begi gino gagan sai windo din si gabai hmm. ami wallahi ni gabai inda no goga kani ne wa hal girbo ga sambu wati kulmo inda no ga gizari girbo wote kwai ne mo ni gabai amon bai kwai da yo dindo hmm. da yo san no bonde ni gabai kan wati kulne ai gwai zo lakkalai candi hadde an ture hangandi am kinga dabu asima asidin gamu ai ma ni gicim amma ni himga hagwai ni no himga hagwai da da yowo da bu yongo wat kulkanci ne igwai gbanda ba dai bo fon da mu kwai da dini bon si halin da boli mana da bu kwai ne ai sibabi an kan na ngo ga da window wora son zamanu wora kan pompo ni anan kula agan bombo pompi ga gon si window wora hmm. habibu baba watu kul dai-dai na sai imu da yowo wi dai amne si ha inga gaba anga mu forage te ya bonno inga sawi haka hannu no forage te ya amma himga bere ko ne ha am fonde ki gana mm. hali foga singi wendera amma hal wadin ka nihim ga hago yadda yowo ya jino wal haifo ima dabu foga jo ma ga bori halasi yan wose anai se inga halim kaga hayo to aga bori amma wallahi gici ni se nim hago yadda ko ci an bori hali banande insha Allah insha Allah ami ay bumbo day bonno ga cingir da yo guna hal da aka ga furajo wo goyo te ay bumbo day bonno gati guna ko sai ko le dinya kan kan dai ko ga mboda. baro na ngai se ay bumbo ila kalai kultunu me ay sabu ni se wallahi ay sabu ko sai mo kan nan ni kani bumbo ga di hayawo don ay go din ga girbe mun babai hankanti Voilà, c'était les lotis du, studio femme et euh, du studio Kalangu. Euh, aujourd'hui, le mot du jour expliqué par Al-Amin en français antamachek et changement climatique. Et d'ailleurs, Al-Amin est avec nous pour nous en dire plus. Bonjour Al-Amin. Bonjour euh, Rekien, bonjour Samira. C'est le réchauffement climatique. Euh, c'est un phénomène global de transformation des climats caractérisé par euh, une augmentation générale de la température moyenne liée aux activités humaines et qui modifie durablement les équilibres météorologiques et les écosystèmes. Lorsque l'on en parle aujourd'hui, il s'agit du phénomène d'augmentation des températures qui se produit sur Terre depuis 100 à 150 ans. Depuis le début de la révolution industrielle, les températures moyennes sur Terre ont en effet augmenté plus ou moins régulièrement. En 2020, la température moyenne sur la planète Terre était environ 1,15 Celsius au-dessus des températures moyennes de l'ère pré-industriel avant 1850. Les pays de la Convention cadre des Nations Unies, COP, se réunissent tous les deux ans dans l'un des pays. Cette rencontre vise à résoudre la crise climatique en s'accordant sur les moyens limités de limiter la hausse des températures et parvenir à des émissions nettes nulles d'ici 2050. Cette année, c'est à Dubaï, c'est Dubaï qui accueille la grande euh, édition, c'est-à-dire cet euh, événement. Depuis le vendredi, 134 pays ont adopté une déclaration sur l'agriculture, l'alimentation et l'action climatique. Il s'agit

واس دا تتملن جدا وين دين دا ايلان تمر نو تمر تمر نو تي اتس مستمر وين ورتو تل المسالة تتتين ايجز دا ورت قالنا اوتي وان شينغ مت سنه تمر وين دشين تتتن توكسي تي وات تكو نيين دا إجلازن اسمرا سموس دا وقالنا ويقلنا توستا وكات توكسي دا التيملن رتن وين كاتنينا توكسيدن إجلس فلقنا ويقلنا merci à merci Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir d'explications en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un mot au 82 89 64. Tout à fait, Mira, il est l'heure pour nous d'écouter nos auditeurs. Karim. Um, A nan dogon dutse nake kalangu. Shirye-shiryen nan nasu muna jin daɗin shi. Saboda mutane iya ƙara waye ma mutane kai. Kuma mutane suna ƙara gane tunda yanzu rayuwar nan ta yanzu da ake ciki sai ana eh, sensibilization mutane da yanzu akwai matsaloli da yawa in ba dan radiyon ba da ake saurare yanzu da yanzu gaskiya abin akwai matsaloli amma yanzu masha Allah ai magati Hassan asan kimba ko gurbon na yo wallahi rajo kalangu rajo no kan a ganda bon fere gumo da ma a wani labarai nin kan gini hangan ni sifur bon hawaira da ma lokaci ka lokaci na igano igano fulanci ne zarmaci ne hauski ne lokaci fon faransano kokor ikulmo sanne iga carganno den sima wo ne nigma wo ne kina kulgano igongay labari no akan sai wo aiga hanganno gum gum gumo in kundai gingine dai hago habo aiga dai ko ga dai raja o eh ayang e sine kega fo dai sintina dai arambum bo kanka gi berandi gi gan me ka me ga han kun kine aiga fo on tonan dando watin gannan ku kan raja jin daga koi ai gogai fuwan tonan di do journaliste me ding me ai gogai fuwan tonan di sunana Yusuf Hassan to ra'ayina biskan shirye-shirye biskan harkar da abin ga harkar mata wannan masu zuwa awo da sauransu wasu wani bi mata sun ta awo ma bi ba su samu yana suke su yanzu yanzu in sun ta wata tuna asuba suke zuwa da asuba suke zuwa su yi tsaye nan sai wajen wutar fasima ba a fara ba to ga na kamata mu zace sun dauki mataki suka wannan mun so da wuri su hara musu da wuri mun su a sanya na za musu a fara musu da wuri kowa ya samu da shike so to ina gaida abokai na fara nan a yarka ina gaida kuma ma'aikatanmu na bakin kowa a mangacin mu su ma fara nan ina gaida su kowa da kowa C'est la fin de l'émission Le Niger sur Kalangou. Euh, bon week-end à vous. Euh, l'édition a déjà été assurée par Senisaka et euh, la technique. Et plutôt <laughs> l'édition par Fanta Shamsou. Au revoir, on se dit à lundi.